Euh, def neen euh, ñi nga xam ne moo nekk les premières victimes ku mel ni comme Mamadou Ba du gérant euh, kii di FC OL bi et Daouda Gueye aussi ex ex patron bu DG OL aussi dikk ñëwoon na jël si leen pour fraude fiscale bu toll si 900 millions de francs CFA en cause malal par rapport ak li nga xam ne moo nekk fiscalité beeg loolu ak combat yi nga xam ne mun nañu wax ne fësal neen ko si régime bu bees bi naka nga koy apprécier malal. oui xam nga aussi. oui oui. ah oui nit ñi waruñu def frauder. oui Ouais. oui ku frauder dañ la wara japp. crime économique la en hein, malade. oui mais ku frauder dañ la wara japp. oui Lool moy deug hein. Légui nak il ne faut pas que mu nek ñi mun nañ frauder mënu ñu frauder. des décisions ciblées. oui il ne faut pas que ça soit des décisions ciblées. oui il faut qu'à tout point de vue képp pourquoi am activité économique. Mm génératrice de revenus mm. il faut que kooku effectivement il est imposable il faut faire un impôt euh, tout à fait euh, mal légui ñu dugg nag euh, si li nga xamné mo nekk nomination yu bees yi nga xamné gouvernement bu Bassirou Diomaye Faye def nako nomination yu ci gëna a mo moo nekk bu RTS bi bi nga xamné aussi bu port autonome de Dakar aussi caisse de dépôt et de consignation ak ñeneen yi nga xamné ñoo stop topp ñu commencé ak RTS la nomination de Pape Alignan bi nga xamné bari na aussi coow surtout coow yi nga xamné fu mu toll ni Top euh, euh, euh, rapport à nga la fa Racine Tala, Racine tala nga du nomination Pape alénia si bopp RTS et les avis qui sont partagés si li nga mo le profil de Pape Alé. Oui, moi je ne vais pas m'arrêter sur le profil de Pape Alé. Oui. Je ne vais pas m'arrêter sur le profil de telle ou de telle personne. Oui. D'abord, ce que je veux comprendre, c'est pour nous bannir. Oui. Nous savons que nous c'est de l'utopie. Oui mm-hmm. il faut que nous accepter. Mm. que tout pouvoir qui arrive. Mm-hmm. quelles que soient les promesses qu'il met sur la table. il met les hommes il met ses hommes. Mm. pouvoir parce que tu as acquis le pouvoir. Mm-hmm. tu as lutté avec des gens mm-hmm. que tu as convaincus, avec des gens qui ont adhéré à ton projet. Ces gens-là, tu ne vas pas les laisser. Et parmi ces gens, dina am une diversité de compétences qui mène qui mène les. Mm, la faute de la coalition Diomaye pendant la campagne mm. a été de dire que si on arrive au pouvoir, mm. les directions, certaines directions, et puis même le mot certain, certaines directions, que certaines directions seront, certaines directions seront... Appel d'offres. Ou appel d'offres. Mhm. Certaines, c'est pas précis. Oui. Quand on s'engage, on doit être clair. Mmh. Mais quand euh, certaines, certaines directions, mais benen affaire bi top il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Comme quoi Par exemple, ils ont dit, ils ont déjà, ils ont déjà promis hmm. que les directions, certaines directions, hmm. ne seront pas, certaines directions seront soumises à des appels à candidature. Oui, oui. Nous avons des directions importantes, nous avons nous oui. direction nous avons appel à appel à candidature RTS à Yenen, Maintenant, le port est stratégique. La RTS, c'est la télévision publique. AIBD, AIBD c'est l'aéroport. Mm. Donc, Donc, c'est de petites directions. C'est des directions très, très importantes. Maintenant, l'état la charrue avant les bœufs, mm. moi, danga dem, après, dem, tu t'es rendu compte qu'il y a un obstacle. Lors, il faut une loi le président Bassirou Diomaye avait demandé avant le conseil ministre des ministres. Mm. Biko bi Biko jiitu. Mm-hmm. bi le premier ministre fexé une loi. Mm-hmm. yoo xamante ne permettre mm. mais avant de dem campagne. Mm. bi ngay campagne puisque tu as des experts. Mm-hmm. ces experts là auraient pu t'aider à te faire comprendre que les promesses bini beaucoup parce que beaucoup contrainte bi lii que c'était juste des promesses de campagne. non en fait ils n'ont pas fait attention à cette contrainte là pour moi, ils auraient pu. bien analyser et comprendre qu'il y a ces contraintes là parce que tu as travaillé avec 1500. 1500 mhm. experts sur des questions. Mhm. donc une décision aussi importante et une promesse aussi importante doit être étudiée dans le détail. Si elle, parce qu'elle n'a pas été bien étudiée dans le détail, que cette promesse s'est vue confrontée à un obstacle. Que Mouno, Djeki Woteni appel à candidature. Déjà appel à candidature en termes de temps et de moyens. Oui, très euh, bien. Et que tu ne vas pas. Et que tu ne vas pas aussi au nom de la loi au nom de tu ne vas pas laisser les directeurs les directeurs parce que le le directeur sur des postes comme ça ces mm-hmm. directeurs aussi devraient comprendre que effectivement oui gars nous on doit nous préparer à partir mm-hmm. Des passation de service bu maintenant dafa souvent à chaque fois oui bu ñuy fen nit fenn mm. beneen nit war ko wuutu il y a une sorte de stratégie de communication malsaine autour des personnes yi nga xamante ne souvent euh, yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci ñoo nekkoon si boîte bi ñoo nekkoon si boîte bi pour moi war na am tuuti élégance mm. parce que il faut aller parce que il faut faire une bonne passation de service il faut faire etc., etc. et cetera nit euh, dawal ko niñ ko war dawale mm. pour man on est dans une république. Si les gens ont mal géré, les gens le sauront. Oui. Parce que l'État va faire, l'État du Sénégal a prévu de faire l'état des lieux au mm. niveau des directions et au niveau des différents ministères. Mm-hmm. Maintenant, il ne faut pas aussi euh, qu'on tombe aussi dans le piège tous de la, de la manipulation par rapport à certaines personnes. Il faut qu'on évite, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames. Vous pensez que les gens sont en train de faire un mauvais euh, procès à l'ex-directeur de la RTS en Oui, Hamga, euh, en fait. Racine Tala Non, <laughs> en fait, votre question est... Votre question est euh, ah, mais parce que, mauvais... Oui. Non, parce que Racine, il faut me carrément... Mom, nan Racine, Racine, Oui. Mais en fait, la gestion ça gars ils ñu ngi ni oui mais la gestion sa gestion moi je pense que oui nous avons des nous avons euh, outils au Sénégal mhm. qui peuvent effectivement euh, dire ndax lolu amna wala lolu est-ce que tu comprends donc euh, souvent ça se passe comme ça souvent ça se passe comme ça mm. maintenant personnellement mm je suis rappeur, je suis activiste, je ne fais pas de la politique. Mm. Racine, Mungiti ligayem. Mm. j'ai connu un grand frère, mm. mm. un grand frère bu désintéressé quand j'ai vu. que ni dañ ni Racine dafa un camion. Ah, lu mu camion avec un matériel ou neuf RTS pour beaucoup de et le gendarme et, le, gendarme l'a intercepté. Tout de suite, ce que j'ai fait, c'est appeler Racine. Il me dit, Malal, ça, c'est pas vrai. Il me dit, ça, c'est pas vrai. Mon d'abord, c'est de Racine, c'est Racine qui me le dit. Mon nom, poste vérifié, c'est un faux compte. Hmm. Au nom de, quelqu'un qui s'appelle Ablaïba. Et les gens l'ont repris. Et même, la gendarmerie a ouvert une enquête sur ça. Pourquoi nous déflorons et à quelle fin hmm. Là, la ma Racine tontu et ça m'a conforté parce que je connais Racine. Mm-hmm. Et ça, que hein? maintenant si les gens ont des avis sur lui par rapport à la gestion de la RTS, ses relations, etc., ses positions politiques, etc., les gens sont libres. Il était même critiqué, euh, si euh, dernière euh, euh interview, le président Macky Sall accordé oui. au aussi presse. Oui, moi-même. Moi, que non, oui, aussi c'est les les appréciations peuvent varier ni am appréciation moi personnellement. j'avais dit que c'était une interview à la commande préparée. moi-même et pourtant je suis son petit frère. mais je veux dire dugg ci Satchelak, mm. Racine ne connaît même pas le nombre de chambres de sa maison. ah oui mon Racine. oui. pour voir mm. là en fait c'est quelqu'un de très désintéressé ça je le sais. Mm. je le sais de lui bu je serais très surpris donc ñun mooy suñu taawu daf mais son engagement politique c'est son engagement politique. Mm-hmm. ñi ils peuvent s'engager des fois un engagement mën na gëlëmloo seeni bët. ñu mm-hmm. wax lu ñu warta wax def lu ñu warta def. ñi y a des gens aussi pour qui ñoo xamante ne engagement mën na wax fa euh, na permettre garder seen lucidité garder seen objectivité les gens n'ont pas la même façon de s'engager par rapport à un parti politique, par rapport à un mouvement, par rapport à une question, etc. etc. oui. mais, mais gestion bi euh, surtout par rapport à euh, euh, ñàkk équilibre bi nga mais aussi ici traitement de l'information bi pour ne pas dire les émissions ñu bari dañu Racine Tala, mom oui mais oui mais ça ça a été dénoncé. oui les gens l'ont dit et les c'était c'était visible c'est une oui c'était visible ni ni ni ni nañu ko effectivement. l'opposition l'opposition de fa même les activistes oui loolu ken mënu ko wéddi oui man est-ce que gis nga ma RTS ma fay wax lu bari lu dul waxu festival Guédiawaye Baye Rap. Mm, mm. kenn du ken musuma fa invité. Mm. donc pour ma wax pour ma wax sur certaines questions liées à la politique. peut-être que lui il a choisi cette orientation cette orientation, à mon avis, pour une télé publique, d'où Maintenant, on verra ce que fera à Pape Allé avec cette télé. Nous bari dañu japp né Pape Allé, changer li nga Oui, espérons. Parce qu'ils ont dit on reste sur la rupture, c'est ce qu'ils ont dit. Oui. On a dit que c'est un gouvernement de rupture, on verra est-ce qu'ils rompront ou pas. Mhm. C'est-à-dire il y a c'est rompre ou perpétuer. Mm. Rompre avec une certaine manière de faire ou perpétuer une manière de faire, tout en sachant que la télévision RTS, mm. c'est une télévision publique, ah. c'est une télévision d'État. Oui. ce n'est pas Jotna maintenant qui va filmer Bassirou Diomaye au palais. sûr. Ce ne sont pas les techniciens de tel. Mm. Les grands reportages sur le président de la République, sur les actions du gouvernement, ce n'est plus les télé privées, mhm. ce n'est plus Walfadjiri, oui. ce n'est plus les pages Facebook de Ousmane Sonko. Mhm. C'est la RTS maintenant. Mm. Maintenant, on verra quest qui va, quelle place occuperont les activistes, les opposants au niveau de la RTS. Wait and see. Le profil de Pape Ali à la RTS, nous avons récompensé. Oui, les gens peuvent dire ça. Oui. Peut-être que ñi leen entouré. Mm. xam nga mën nañ ne appel à candidature xëy na amul foofu. appel à candidature amu ci. mën nañ ne pe am na li gën a yomb ci perception bi mooy dire ah wax dëgg xeex na. ci média lay liggéey. ci média lay liggéey journaliste la et cetera et cetera. Mm-hmm. maintenant est-ce que il remplit les conditions ou il ne les remplit pas, moi je ne sais pas. Comme lui diplôme, comme lui l'anam, mais on sait que c'est un homme, un homme de médias mm. qui a toujours été constant dans la contestation, mm. dans la refus. Mm-hmm. Maintenant, euh, maintenant, c'est lui qui avait un avis sur ce que font les gens. Mm. Maintenant, c'est tout le contraire, c'est les gens qui auront un avis sur ce qu'il fait le professeur Abdou Fati euh, euh, formateur le le CNA il a moom gisul une rupture euh, si une nomination est baissée. yi da nga bokk avis. non ça dépend de quelle nomination. Parce que déjà, appel à candidature... oui, non, ça, je, non ça je l'ai dit. J'ai dit, dit, mon désaccord sur ça. Oui. J'ai dit que c'est des erreurs à ne plus répéter. Oui. À ne plus répéter. Et puis, il n'y a rien de mal à dire, à revenir dire aux gens, écoutez, mm oui, on aurait pu, avant la campagne, mm. avant la campagne, on aurait pu étudier cette question-là afin de pouvoir relever les contraintes, mm. les obstacles, de, les identifier mm. pour ne pas nous engager dans une promesse. Et pour moi, c'est un obstacle. C'est un obstacle, c'est une erreur. Mais, affaire Bignouara Diap, moi, un programme un programme. Ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas le Coran. Un programme, il s'adapte. Ah, déjà, nous, ils l'ont compris. C'est un projet euh, d'ici 5 euh, mois, 3 mois, alors, euh, fonctionnel. Oui, mais je veux dire, en fait, ils ne savent même pas. Il y a l'intention, il y a la réalité. Ok, il y a la réalité du pouvoir. Non, il y a la réalité du terrain, pas même du pouvoir. C'est-à-dire, non. De l'État, tu veux dire, non. Malal Je veux fabriquer, ce n'est pas une réalité de l'État. C'est-à-dire, c'est très simple. Oui. J'ai imaginé hmm. fabriquer un avion hmm. avec du bois. La structure d'un avion avec du bois. Hmm. Si ça m'a pour l'air, mais après, dans la faisabilité, mhm. je fais face à un certain nombre d'obstacles, je les contourne. Mhm. Il faut que je trouve le moyen de les contourner. Comment Maintenant, on apprend en faisant. Learning by doing, parce que personne, est-ce qu'on forme une personne à devenir un président de la République Non. Est-ce qu'on forme une personne à devenir un ministre Non. Est-ce qu'on forme une personne à devenir un directeur de télé il y a Racine, en étant directeur de la RTS, il n'a l'a jamais été avant. Il n'avait jamais dirigé une télé. C'est un homme de médias, c'est une personne avec de hautes qualifications, qui a étudié, qui a eu de très bons diplômes, qui est sorti du CESTI, qui est allé au Canada, etc. etc. Mais n'oubliez pas aussi que la RTS, mm. au niveau de la RTS, Racine n'a pas été le plus important. Ce sont les, ces caméramans, ce sont ces animateurs, ce sont ces présentateurs, ce sont ces journalistes, ce sont ces concepteurs, ce sont ces chefs de desk, etc. C'est une voie qui très complexe. Oui, qui sont très bien formés. C'est vrai. Maintenant, après un directeur, c'est celui qui manage. C'est celui qui oriente. Mm. C'est celui qui donne une vision, etc., etc., etc. Malal, euh,